man dama bëgg rek ngeen expliquer ma yéen loo leen fii def. voilà c'est quelle série ban ngeen li lancé. Bonjour à tous, euh, c'est la série Impact. Elle c'est Jessica. ah Jessica Gradel. Jessica. Gradel. Jessica Gradel est-ce que xam na ne Sénégalais yëpp dañ ko nopp te série bi commencé ko. en grosso modo, est-ce que tu sais que tous les Sénégalais sont amoureux de toi alors que la série n'a même pas encore débuté oh, Merci infiniment. On s'est ah, peut-être que je vais rester ici. Tu vas rester ici. <laughs> Nous, de toute façon, les femmes t'ont adopté. Oh, euh, on va te donner à notre frère, Pape Cher. Bah voilà. Pape Cher. Non, il y aura de l'antagonisme à l'air car il y a quelqu'un d'autre. Ah, moi aussi, quelqu'un d'autre. Bon, ah. ah, ah, ah. Moi, je sais pas. ok. Les séries, ça parle de quoi Impact en fait, Impact, c'est l'histoire de deux jeunes, euh, Issa et Aminata, mhm. euh, qui aujourd'hui sont des jeunes fraîchement diplômés, qui sortent de... L'un est policier, Issa, mhm. l'autre une avocate, et qui aujourd'hui vont voir leur vie bouleversée par un événement. Mhm. C'est cet événement qui va lier tous les personnages de la série, qui, va lier toutes les histoires de la série, euh, c'est-à-dire la famille Gradel, la famille Diouf, euh, ainsi que les personnages secondaires, etc. Tout le monde sera concerné par cet événement qui va vraiment foutre le chaos dans la salle. Issa et Minata, c'est les, les, personnages principaux Exactement. Ah, Nyan jouer. joué Issa. Uh -huh. Aminata. <laughs> Aminata est remplacée par Jessica pour le moment, mais Aminata, elle est, là, elle est très belle, élégante, noire, sur des belles. Mashallah. Fatabaraka. Hmm. Vas-y. Mashallah, Fatabaraka. Fatabaraka. Yen, yen, malade, de mourrons, yen, de gel. Eben, Khes. Ah. hein ha? lutax lolu yeen non yalla ko def nak dedet may yalla ay <laughs> xol kata fa ne ah kan ngay wax yow ah ñi casting kan la <laughs> ah ki casting ki casting jigen la ah jigen la de ki casting jigen la de yo ko jaxal na ñep

léegi impact impact ni ngi koy xaar mais ani yeneen série bon personnellement man Golden lay xaar amna ñuy xaar. Euh, mais c'était un plaisir ñu contane bu baax ma ngay dag interview ba di. mo moo répondre ci li ma la wax. ah contane nañ ci bu baax et puis voilà donc la suite des séries comme ni nga ko waxee. waaye mu ngi ñew suite la mu ngi ñew uh-huh. toujours avec des histoires très rocambolesques. Hmm? Mais bien sûr. Euh, très, très, très long Les, meilleures histoires, en fait. Alors, Jessica, rendez-vous quand Samedi Samedi et mardi. Sur la TFM oui. Et, sur Marodi TV. Et tu restes à la TFM avec aussi Et je reste à la TFM parce que désormais, je suis mariée ici au Sénégal. Avec Parcher <laughs>